je pense que nous avons ngi le seen hmm. dal, di nous l'avons appris di les médias nous l'avons appris nous l'avons suivi nous nous suivons à distance mais sachez que vous avez notre soutien total nous avons notre vous avez notre soutien total parce que dëkk bi même kuy nelaw là, je pense à l'heure actuelle a une... Ousmane il y a une Sénégal man xaw ma Louis Zirgon Comment? je ne connaissais pas les ressources du Sénégal Ousmane Sonko moo ñu yee bu ñu yee nag ñu ne ah ndeket yi am na waaw ah dédé, la foog mu foog mu jeex te je pense que dina jeex vous voyez même toi, en sont conscients que il y a un éveil d'esprit fu tubaab tank, tànk fii ba NASA nit ku ñu Sénégal laa ngi foofu fii ba NASA laa wax ñoom nga fi lañ lycée fan lañ nekk ñu ngi ils sont partout donc aujourd'hui on éveil d'esprit mi vraiment nous, war c'est fini c'est fini Si on daal jóg rek ñu faagal mais c'est fini Nous ñoom c'est des députés de la CDA, on les suit à distance nous savons bien ce que c'est Nous, on dit que sant on peut pas faire dans le temps que tojloo Ce c'est pas possible Les gens ont day sacrifice am na un petit combat bi avons sacrifié ce sont on les appelle des martyrs mais l'essentiel c'est l'aboutissement de ce projet là ce projet-là ne sera pas porté uniquement, il n'est uniquement par Ousmane Sonko. On attend tout simplement, nous, déjà, je pense que nous avons déjà. Nous avons déjà. Nous savons bien ce que c'est. On se garde, on se tait. On a Nous avons dit que nous avons Je ne suis pas un homme discours. Nous Mais qui connaît ce que Jusqu'à l'an 2000, dès le nous avons ñoo way xam nga ku jaay ba fala yam maa ngi lañ jëf jërëjëf jërëjëf ma gis ne que jigéen ñi dañoo xam ne que changement dafa war a am dañoo xam ne que seeni frères yi dañoo war a xëy di gontu danoo war a xam ne suñu dëkk dafa war a changer su papa dafa war a changer beneen quartier ak beneen quartier si biir Ziguinchor dafa war a changer tey bu ñu jiyee ñu taxé ñu rebelle oui d'accord nañu nekk rebelle parce que dañuy bañ mhm. bañ ñu xam dañoo bëgg suñu bopp dañoo bëgg suñu réew dañoo bëgg changement si biir Sénégal d'accord nañu lepp luñu traité dañ ko nangu mais tant que changement amul fi ci biir Sénégal nous dañuy résister donc sa doom fofu la nek donc lolu moy tay tant.